mbette bu baax mbette bu baax bu ma gisee làmp Sénégal tey tey tey tey te suma suma la nobulon tey waru mo nek senegal ana sama sama sama mbok yi dañ doon de dégg rek yero dee na Libi, d'où problème de problème Donc, euh, tout d'abord, euh, je me réjouis d'être là aujourd'hui et de retrouver ces jeunes-là que j'ai eu à rencontrer il y a deux mois de cela. Avant de commencer, j'aimerais quand même remercier l'OIM avec qui nous avons travaillé jusqu'à avoir cette belle journée d'aujourd'hui. L'OIM n'a ménagé aucun effort, ça il faudra le souligner pour qu'on en arrive à cette journée. Donc vraiment merci à l'OIM. Je veux aussi remercier le gouvernement de la Libye parce que lorsque je suis allé en Libye, j'ai rencontré des autorités pour nous aider à diriger ce que nous avons aujourd'hui et ils nous ont beaucoup aidés. Et les derniers, un non les moines, nous remercions notre représentation diplomatique euh, en Tunisie, notre ambassadeur Moussa Sow avec son équipe euh, qui nous ont aidés avec les papiers administratifs. Vraiment, merci. Donc, pour revenir à votre question, euh, c'est un sentiment de satisfaction parce que lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, ça parlait beaucoup dans la presse de jeunes Sénégalais euh, qui sont en Libye, qui sont bloqués là-bas, qui ne parviennent pas à partir. Suite à une discussion que j'ai eue avec euh, notre ministre, Mme Yacine Fall, nous avions convenu que j'allais faire le déplacement pour voir la situation. C'était il y a deux mois de cela. Une fois arrivé sur plage, on a rencontré les autorités, on a rencontré ces jeunes que vous voyez aujourd'hui. Et suite à beaucoup de travail, évidemment avec l'aide de l'OIM, on en est arrivé à ce jour-là. Ils sont à un nombre de 195 familles, tous des Sénégalais. Et le message surtout que je suis venu amener, c'est un message d'espoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'avènement de notre nouveau gouvernement avec son Excellence le président Bassirou Diomaye Diaharpe et le Premier ministre. Je veux dire à cette jeunesse-là de rester parce qu'ils ont un avenir dans ce pays-là. Le Sénégal a besoin de tous ses enfants. Le Sénégal a besoin de tout le monde pour pouvoir réussir, surtout cette jeunesse-là qui nous a portés au pouvoir. Je veux qu'ils sachent que Rome ne s'est pas fait en un jour. Je veux qu'ils sachent que avec les programmes que nous avons mis en place, Inch'Allah, d'ici quelques temps, s'ils sont patients, peut-être qu'ils partiront, mais ils partiront par la voie légale partiront en avion et certainement pour aller en bas. C'est ce que je dis. Arrivé en Libye, vous ne pouviez pas croire ce qu'on a trouvé là-bas. On pouvait trouver des familles entières et la plupart de leurs enfants n'avaient même pas de papier parce que souvent ces enfants sont nés en période de guerre. Les hôpitaux, c'était très démantelés, Et lorsqu'on est arrivé, on nous a expliqué tous ces problèmes-là. Et avec notre équipe, nous avons, nous avons fait toutes les diligences nécessaires pour qu'ils viennent. Et même ceux qui sont restés là-bas, on a travaillé avec les tribunaux, on a travaillé avec toutes les gens compétents pour nous assurer que ces gens-là retrouvent leur nationalité sénégalaise. Ça, c'est le retour volontaire. C'est ces gens qui voulaient venir. Je pense qu'on a amené tous ceux qui voulaient venir. Mais au-delà de ces personnes-là, il y a une forte communauté sénégalaise. En Libye, il y en a qui vivent depuis 30 ans, 40 ans, et on a des cas assez particuliers. Mais ceux qui sont là-bas, ils sont bien intégrés, ils ont leur famille. Euh, donc, euh, beaucoup viennent en vacances quand ils le voudront, mais nous, nous nous occupons des gens qui veulent venir, espérant qu'on va tellement développer ce pays-là que tout le monde va vouloir envie de revenir. Et Inch'Allah, euh, d'ici quelques années, on espère qu'on s'en nous regardez avec l'aide de l'OIM, évidemment, aujourd'hui, ils viennent, euh, ils vont passer la nuit à l'hôtel. Il y a un processus d'accompagnement avec des financements de projets et autres. Mais l'un dans l'autre, ça, c'est pas certainement le plus important. À mon avis, le plus important, c'est que les gens sachent que les opportunités sont là dans ce pays-là. Parce qu'avec l'argent qu'ils ont dépensé pour partir, ça on ne les donnera pas plus que ce qu'ils ont eu à dépenser pour partir. Mais il faut qu'il y croit en premier. Et pour nous, c'est ça le plus important. Non, on va faire le suivi. Vous savez, nous avons nos bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, les BAOS, qui sont implantés dans les 14 régions du Sénégal. Qui, leur travail, c'est de voir où est-ce qu'ils sont en collaboration avec, euh, avec l'OIM, de faire le suivi, de voir euh, à, à, combien on peut les accompagner et comment on peut accompagner de toute façon tous les jeunes Sénégalais qui sont en âge d'avoir un emploi. Bah, euh, laissez-moi, j'avais oublié une information de taille en français. Certainement, je vais en parler en Wolof. Euh, le travail que nous avons accompli au niveau du secrétariat a fait venir ces jeunes-là. Mais le même travail, nous l'avons fait dans beaucoup de pays. Et vous avez certainement entendu dans la presse ces jeunes-là qui sont bloqués au Maroc. Je vous annonce aujourd'hui que le 30, le 30, c'est dans quelques jours, 352 jeunes vont arriver ici encore du Maroc. Donc après ce vol-là, il y aura plus de jeunes dans ces centres d'hébergement. ci wolof euh, di di sant yàlla tey bi ma ñëwee sénégalais yi nekk Libi nga xam ñaari weer ci ginnaaw dama demoon Libi gis leen ñu waxoon ma seen bébét ne dañ fa bloqué depuis des mois bëggoon ñibbisi mais balaa may egg foofu ngeen may ma ma gërëm OIM OIM nga xam ne vraiment dañ ñu jàppale ci processus bi ba jour bi yegg si tey te du yem fii ñoom dañuy jàppale aussi ci accompagnement di gërëm aussi le gouvernement de Libye ndax bi ma fa demee waxtaan ak ñoom dafa am lu ñu ma digoon te tey li fi xale yi ñëw wan na ni li ñu digoon def nañ ko di gërëm suñu ambassadeur Moustapha Sow avec son équipe parce que fi ma ñibbisi mayu ma ko jaam chaque jour ma woo ko chaque semaine ma woo ko di ko naan fan ngeen toll ak ak suñu doom yi suñu frères yi nekk Libye donc euh, di wax ne rek dañ fi ñëw surtout pour lancer un message fort un message fort à cette jeunesse à ces gens-là nga xam ne dañuy jël xaalis bu bëri dugg ci gaal yi ma ne leen Sénégal dafa nekk ci yoonu changé sous la magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko di leen wax ne nañu tey nañu gëm seen bopp gëm ni réew mi ñi koy changé ñoom dañ ci bokk parce que doomi Sénégal la Sénégal dañ leen soxla ci réew mi message boobu laa bëgg ñu xam wala ni dañoo war a tey gëm seen bopp liggéey parce que xaalis bi ñu jël pour dem ci gaal bi ñu gëm ne buñ ko liggéeyoon incha allah war nañ ci mën a réussir et bu weesoo loolu programme yi nga xam ne bëgg nañ ko mettre en place dina tax bépp doomu Sénégal gis boppam ci dëkk bi donc c'était surtout pour ça ñu ñëw fii 195 quatre la ñu ni nga koy waxee gis nga xale yi nga fi gis nii yëpp lan moo étonnant bi dangay dem fekk fa xale yi te ñu ci bëri amuñoo sax këyit këyitu juddu ndax ñu ci bëri dañoo juddu ci temps wu guerre bi xam ngeen geer bi yàgg na ñu nekk difficulté mais biñ fa demee ma ne leen incha allah buñ demee dinañ liggéey pour ngeen retrouver seen nationalité sénégalaise donc y a deux mois depuis ma ñëw ma teg sama équipe ñu liggéey ci di leen woo ñi nga xam ne yoruñu këyit réel. ñu dem au niveau du tribunal jël seen kayitu yaay yeeg papa yi defal leen kayit bref ñu def lépp lu ci war pour que tey ñu war a mën ñoo ñibbi si réew bi nga xam ne mooy seen réew muy Sénégal. loolu mooy nouvelle bi tey di leen woon ni ñun ci loolu lañ nekk doomu sénégalais fu mu mënti nekk fu mu mënti nekk du ñu mës a bàyyi kenn ci ginnaaw ñun loolu la ñu gëm te loolu lañ ñu fi tegee Maroc yéen a ngi dégg ci presse bi fan yii yëpp yi bëri woon nañ fa trop ci centre d'hébergement yi. mais incha allah le 30 de ce mois-ci dina am encore 352 jeunes yoo xam ne sénégal yu jógee Maroc ñoo ñibbi si fii Sénégal.